arrive en provenance de l'autre bout de l'Atlantique. À bord, le président de la République est en compagnie de la première dame, Madame Marem Sall. Le président Macky Sall est à Washington à l'invitation du FMI. Il est attendu au conseil d'administration pour un discours sur le plan Sénégal émergent. L'autre temps fort du séjour du président Macky Sall et la réception du prix de l'excellence de la Chambre de commerce américaine en reconnaissance de son leadership exemplaire au sein de la CDAO. La mission est donc très économique. La présidente directeur générale du MCC annonce d'ailleurs la couleur. Reçue dès l'installation du chef de l'État, elle aborde le deuxième compact que l'institution vient de signer avec le Sénégal. On a parlé du, partenariat fort entre les deux pays, entre le Sénégal et les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. On a, euh, parlé du, de la deuxième investissement dans le pays et plutôt, on a fini une grande jalon, c'était de finir euh, l'analyse économique. Et on va essayer d'assister, appuyer le gouvernement dans leur plan de l'énergie. Auparavant, les compatriotes ont tenu à souhaiter la bienvenue au chef de l'État, les personnels de l'ambassade et du consulat et d'autres membres de la communauté ont fait le déplacement pour exprimer leur fierté au président Macky Sall. Le président Macky Sall était l'hôte du Fonds monétaire international ce vendredi. Le chef de l'État s'est notamment entretenu avec les membres du conseil d'administration, une première pour un chef d'État africain, suivant les temps forts de l'accueil avec notre envoyé spécial Oumar Ning. Au siège du FMI, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'événement. Ce matin, l'institution internationale reçoit une visite spéciale. Madame Christine Lagarde et ses services sont très honorés, en effet, d'accueillir le président de la République du Sénégal. Aussitôt l'instant immortalisé, la directrice générale s'entretient avec le président de la République dans son bureau. Le tête-à-tête est suivi d'une séance de travail à laquelle prennent part les autres membres de la délégation. Mais c'est sans doute dans la salle du conseil d'administration qu'on a vécu le moment fort. C'est la première fois qu'un chef d'État africain fait face à cette auguste assemblée. Un bon souvenir pour la directrice générale Christine Lagarde et ses collaborateurs, un mérite pour un président dont la vision porte déjà les fruits. Christine Lagarde a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour cet exercice euh, qui n'arrive presque jamais dans cette institution monétaire internationale. Impressionnée par le plan Sénégal émergent, la directrice générale du FMI entend accompagner la dynamique impulsée par le président Macky Sall. Elle est ici au micro de notre envoyé spécial Oumar Nyinga. Il a pu rencontrer les membres du conseil d'administration dans la salle du conseil, euh, ce qui, qui n'arrive presque jamais. Et il a pu donner vraiment toute la problématique de développement économique, les ambitions, les obstacles, la façon dont le FMI peut soutenir et supporter en accompagnant un bon cadrage macroéconomique et une logique de financement qui soit dans l'intérêt général du pays. Et vous allez le faire, ah, Nous allons continuer à être le partenaire du Sénégal, bien sûr. Le président Macky Sall a adressé un message au FMI. Nous reviendrons sur cette intervention qui porte notamment sur le plan Sénégal émergent. La suite de la visite du roi Mohamed VI au Sénégal, Sa Majesté était à la grande mosquée. Il a été accueilli par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah John. Ils ont effectué ensemble la prière du vendredi. Elle a été dirigée par l'imam Ratib de la grande mosquée de Dakar et en présence de plusieurs représentants de familles religieuses. Avant de quitter la grande mosquée, Sa Majesté Mohamed VI a offert faire des exemplaires du Saint-Coran à plusieurs euh, fidèles en santé, en atelier en santé s'est réuni donc euh, ce matin euh, sous la présidence du euh, Premier ministre. Une seule santé pour lutter contre les zoonoses et les menaces de santé publique connexes. La rencontre a été présidée donc par le chef du gouvernement en présence de presse personnel, de partenaires donc techniques et financiers du Sénégal. C'est un compte rendu de Cher Bambagay. L'approche Une seule santé est une façon de concevoir des systèmes et services de santé qui tiennent compte des liens inextricables entre santé humaine, santé animale et environnement. Elle vise à comprendre comment les maladies affectent les animaux et l'environnement pour prévenir les épidémies avant qu'elles ne puissent se transmettre aux personnes. Pour le Premier ministre, l'approche sanitaire de la question démontre toute son importance. Les récentes épidémies en Afrique de l'Ouest notamment maladie à virus Ebola, fièvre de la vallée du Rift, grippe aviaire, etc., avec leurs corollaires de victimes humaines et animales, leurs répercussions sociales et économiques, auront fini de convaincre les plus sceptiques sur l'impérieuse nécessité de la collaboration entre les secteurs de la santé humaine de la santé animale et de l'environnement pour apporter des réponses synergiques plus efficaces contre les menaces d'épidémies liées, aux zoonoses, qu'elles soient naturelles, accidentelles ou délibérées. Les menaces des agents pathogènes zoonotiques et les menaces de santé publique constituent des défis sanitaires, urgent donc d'agir et de prévenir le Sénégal, une référence en matière de veille sanitaire. À ce propos, je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, remercier le gouvernement américain pour la sélection du Sénégal parmi les pays bénéficiaires de la deuxième phase du programme de sécurité sanitaire mondiale qui aura permis, entre autres, la réalisation de certaines initiatives précitées. La réunion de Dakar sur les questions de santé publique a réuni beaucoup d'experts qui vont harmoniser les méthodes de traitement et de prévention pour une bonne santé des populations africaines. Je le disais en titre, le député Barthélémy Diaz sera en pénal dans l'affaire de la mort de Ndiaga Diouf. Les parlementaires ont suivi les conclusions de la commission ad hoc dirigée par Moustapha Diakhaté. Ils ont voté à la majorité la levée de l'immunité parlementaire par la commission d'enquête parlementaire. C'est un compte rendu de Amadou Aramtiam. Les membres de la commission ont abouti à la conclusion que justice doit être rendu dans cette affaire. La conclusion finale du rapport de la commission ad hoc qui tombe comme un coup près, rappelant le dernier alinéa de l'article 52 du règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale indique ceux qui ont droit à la parole en matière de levée d'immunité. D'abord, les membres de la commission d'enquête et le représentant du gouvernement. Que j'ai l'honneur de représenter n'a pas d'observation particulière. Je reste dans le sens de la recommandation de la commission Adoc, c'est-à-dire la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue. Je n'ai rien de plus à ajouter que ce qu'a dit le rapport. Ensuite, le principal concerné. Je prends la parole pour vous confirmer que je demeure dans ma position de toujours vous inviter à lever mon immunité parlementaire et s'il vous plaît, sans aucun débat. Dans l'affaire de l'attaque violente à main armée, dont la mairie de Mermoz Sacré-Cœur et moi-même avions été victimes le 22 décembre 2011. Il a demandé et il l'a obtenu par 62 voix pour, 14 voix contre et 4 abstentions les députés ont voté à la majorité les conclusions du rapport de la commission d'enquête. Barthélemy Toydaz fera face au juge dans l'affaire du meurtre de Ndiaga le débat sur les ressources extractives du Sénégal a failli occulter le principal sujet de la plénière du Conseil économique, social et environnemental de ce matin. Elle était enfin, en effet, consacrée au rôle et à la place des zones économiques spéciales dans la politique nationale du Sénégal. Le ministre Ali Nguindia est venu rencontrer les conseillers. Il leur a fait le point sur les réalisations du Sénégal sur ce sujet. C'est un compte rendu de Oumindour. Ce n'était pas vraiment le propos de cette plénière, mais avec sa double casquette de ministre de l'Industrie et des Mines, Alain Guignal ne pouvait pas échapper aux questions liées aux ressources extractives au Sénégal, surtout dans ce contexte de découverte de pétrole et de gaz. Si je dois répondre question par question, je parlerai beaucoup plus des mines que de l'industrie. Pour recentrer le débat de cette plénière consacrée aux zones économiques spéciales intégrées, le ministre est revenu sur leur importance dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le président de la République a, dans le plan Sénégal émergent, envisagé qu'au Sénégal, qu'on ait au moins euh, trois parcs industriels, euh, qu'on ait des agropoles, euh, que l'industrie agroalimentaire soit aujourd'hui à un niveau beaucoup plus supérieur que le niveau actuel pour que l'impact sur le PIB passe de 10-12% de la situation actuelle ces dernières années à 25%. À ce propos, les choses sont d'ailleurs en train de bouger dans le bon sens à Diamniadio, même s'il y a encore des choses à régler. Nous avons déjà construit, avec un investissement d'une trentaine de milliards, euh, la première phase euh, du parc industriel on attend que la loi sur les zones soit promulguée pour que le parc puisse devenir une zone économique spéciale. Et justement, parmi les recommandations des conseillers, il y avait en bonne place la révision des textes entourant ces zones économiques. Le Conseil économique, social et environnemental formule les recommandations suivantes pour réussir la politique d'industrialisation visée dans le PSE, le plan Sénégal émergent, à travers la promotion des zones économiques spéciales en un procédé à une évaluation exhaustive du cadre juridique et institutionnel de la zone économique spéciale intégrée avant toute définition d'un régime de zone économique spéciale au Sénégal. Prochaine étape pour le Sénégal, mobiliser le financement pour entamer la deuxième phase du parc industriel. L'avis du Conseil économique, social et environnemental sur les zones économiques spéciales intégrées a été adopté à l'unanimité. Et puis le ministre italien en charge des Affaires étrangères, accompagné d'une délégation de l'Union européenne, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Au moment des échanges, euh, la lancinante question de l'immigration clandestine. À ce sujet, il a été surtout question de renforcer la collaboration pour une meilleure euh, gestion des vagues migratoires. C'est un compte rendu de Pape Bounatiao. À l'ordre du jour de cette session conjointe de travail, la question des migrations. Il s'agit pour l'Union européenne et l'Italie de venir redynamiser la coopération avec le Sénégal afin de mieux contenir les flux migratoires irréguliers. À ce propos, le Sénégal a déjà mis en œuvre une politique volontariste de retour matérialisée par le FES, une initiative qui a déjà porté ses fruits et appréciée par l'Union européenne et l'Italie, où la communauté sénégalaise est forte de 200 000 membres. Et je le dis en tant que représentant d'un pays, l'Italie, qui a peut-être un des deux plus grandes communautés sénégalaises euh, en Europe, qui est une communauté euh, très bien intégrée, qui produit et donne du travail et qui a des excellents rapports avec l'Italie et avec les Italiens. C'est exactement pour ça que je dis qu'il faut travailler ensemble pour réduire l'immigration irrégulière et la capacité des ressources criminelles d'utiliser l'immigration irrégulière. Nous savons tous que le phénomène migratoire ne va, pas se terminer demain. On aura peut-être des dizaines d'années devant nous. Mais ces dizaines d'années seront des années de deuil, de criminalité, de risque pour le migrant, ou elles seront des années de migration régulière contrôlée. C'est ça le choix qu'on doit faire. Pour faire ce choix, il faut une très bonne coopération entre l'Italie et le Sénégal, l'Union européenne et le Sénégal. Les migrations irrégulières portent des enjeux sécuritaires énormes et nécessitent une approche régionale uniformisée. Le Sénégal fait partie d'un compact de 500 millions d'euros qui concerne aussi l'Éthiopie, le Nigeria, le Niger et le Mali. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal sera en Italie dans les prochains jours pour encore mieux se pencher sur la question. Plus de 5 000 en 1973 et 13 500 aujourd'hui. Les effectifs des missions de police dans les opérations de maintien de pêche ont sensiblement augmenté ce jeudi. Euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies que dirige notre pays durant ce mois de novembre a suivi des exposés des commissaires à la tête de ces euh, missions pour un briefing qui a permis de passer en revue toutes les difficultés. Pour plus de détails, nous retrouvons à New York Khalisek. Ce jeudi, dans cette mythique salle du Conseil de sécurité des Nations Unies, la question liée aux missions de police dans les opérations de maintien de paix a été au cœur de la réflexion. Et pour débattre de cette lancinante question, le Conseil de sécurité des Nations Unies que préside notre pays a entendu des exposés de commissaires de composantes de police dans des opérations de maintien de paix. La composante police présente dans les opérations de maintien de paix depuis 1960 a toujours joué un rôle capital avec une place et un mandat qui ont beaucoup évolué. Les effectifs de la composante police ont considérablement augmenté, passant de 5 840 en 1995 à 13 500 aujourd'hui, dont 10% de femmes. Des éléments déployés dans 12 opérations de maintien de paix et 5 missions de politique spéciale avec des difficultés titanesques et des commissaires à la tête des missions de police au Mali, en Haïti, au Darfour et au Sud-Soudan ont fait des exposés d'une rare concision avec des explications on ne peut claires sur des difficultés éprouvées, mais aussi et surtout les obstacles à lever. Après avoir suivi avec une attention toute particulière ces adresses, les ambassadeurs chefs des missions à l'ONU ont exprimé à ces commissaires leur vive gratitude une gratitude à la hauteur des efforts consentis et des sacrifices au péril de leur vie. Ce n'est qu'après que des questions de fond ont été posées à ces commissaires pour plus d'éléments d'information qui aideraient à lever d'autres obstacles. Ils revenaient par la suite au secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix et aux quatre commissaires de redonner d'autres explications. Du coup, l'on a assisté à un briefing sur les missions de police dans les opérations de maintien de paix, un sujet que le Sénégal a bien voulu inscrire dans l'agenda de son mandat. Diplomatie toujours, euh, visite euh, du ministre français des Affaires étrangères au Sénégal, Jean-Marc Hérault, s'est rendu à Rufisque, ville jumelle de Nantes, dont il a été maire. Deuxième étape, euh, le cimetière militaire de Tiaroy, où le ministre a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais. Retour sur les temps forts de cette visite avec Philomène Constance Diagne. Entre les villes de Rufisque et de Nantes, une commune de France, l'amitié dure et n'est pas prête de se perdre. À travers cette remise des clés de la ville de Rufisque au ministre français des Affaires étrangères, le pacte d'amitié signé depuis 1992 se renouvelle. Nous vous témoignons notre profonde gratitude pour avoir inscrit la ville de Rufisque en place d'or dans votre calendrier de visite au Sénégal que nous savons extrêmement chargés et sommes très sensibles de cette marque de reconnaissance et de considération. Vous êtes des partenaires fiables, capables de nous accompagner dans la mise en œuvre des projets retenus, chiffrés. Rufisque, comme beaucoup, compte beaucoup sur votre entregent et votre dimension d'homme d'État émérite pour euh, trouver les partenaires susceptibles de l'accompagner efficacement. Rufisque a développé avec Nantes des relations de coopération dans différents domaines. Ces coopérations s'est bâtie sous le magistère de feu le maire Mbaye Rufisque, c'est justement une ville qui a toujours revendiqué son originalité. Mais faut-il encore lui donner les moyens de se développer, d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer les conditions d'assainissement, de propreté, de traitement des déchets, mais aussi de mieux permettre à la jeunesse de se former. C'est ça l'ambition, vous avez raison. Alors je ne suis pas venu avec plein de solutions, mais je suis venu avec quelques points précis qui correspondent à des attentes fortes depuis si longtemps pour vous dire que, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'aurais été vraiment frustré de ne pas vous venir sur le terrain. Non seulement pour revoir des amis, mais voir le peuple sénégalais et voir une ville qui a envie de réussir. Après des échanges dans le cadre du jumelage entre les deux villes, le ministre français s'est rendu à la fondation Sokosim, puis à l'état civil, avant de rallier le domicile de l'ancien maire honoraire pour présenter ses condoléances à la famille. Hein? Le cimetière militaire de Tiaroy a par la suite accueilli Jean-Marc Hérault, un dépôt de gerbes à la mémoire des tirailleurs disparus, un recueillement qui coïncide avec la célébration de la journée des forces armées. C'est pourquoi aussi, pour donner à votre geste toute la symbolique qu'elle requiert, nous avons décidé de convoquer un colloque qui nous permettra de mettre à la disposition de tous les pays africains intéressés le contenu de ce que les archives de Tiaroy renferme. Nous sommes sûrs et certains que cela consolidera notre amitié, renforcera la confiance réciproque entre nous et continuera de conforter les liens d'amitié ainsi que la fraternité d'armes qui ont toujours existé entre l'armée sénégalaise et l'armée française. Il m'a paru euh, juste qu'à la veille du 11 novembre, venant euh, ici au Sénégal, après avoir assisté euh, à la journée euh, des forces armées du Sénégal, de me recueillir quelques instants à la mémoire de ces soldats. Ces hommes se sont battus pour nous, pour notre liberté, pour notre indépendance. Ils ont euh, été nos frères d'armes, ils méritent notre reconnaissance. C'est pourquoi je tenais à venir ici, aux côtés du ministre de l'Intérieur, représentant le gouvernement du Sénégal, pour dire ma solidarité, ma gratitude et en même temps dire que du passé et du devoir de vérité, du devoir du mémoire, c'est un message de confiance et d'optimisme que nous adressons à la jeunesse de chacune de nos nations. Le point de chute de cette visite a été la résidence de l'ambassade de France. Autour d'un buffet, la coopération entre les deux pays a été saluée et des amitiés ont été retrouvées l'institution de prévoyance retraite du Sénégal et la Caisse de sécurité sociale ont lancé ce jeudi à Dakar un projet euh, commun. Il vise donc à moderniser et harmoniser euh, les systèmes et à harmoniser donc les systèmes d'information institutions. Ce projet est un premier jalon euh, dans la dynamique de rapprochement entre l'IPRES et la CSS. Euh, Tcherno Diallo nous en dit plus. La modernisation et l'harmonisation des systèmes d'information de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale marquent le début d'une nouvelle ère dans la vie de ces deux institutions. Cela se matérialise à travers le projet appelé Kickoff. Nous avons un problème de fiabilité des données. Vous entendez très souvent également les retraités dire que les délais sont trop longs après le dépôt des, dossiers. Tout ceci tient du fait que nous avons un système d'information qui n'est pas très, performant. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi bien au niveau de l'IPRES que de la Caisse, nous n'avons pas encore la vérité des prestations. Pour les deux présidents de conseil d'administration de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale, le projet demeure un impératif. Les deux systèmes étant différents, c'est peut-être un coup de génie que de pouvoir les mettre ensemble. Et il importe que ces populations-là puissent trouver, au travers des actes que nous posons, les raisons d'être fiers de leurs institutions. Euh, ce projet est un projet extrêmement important qui donc euh, met en première ligne les administrateurs que voici, parce que c'est eux qui décident et c'est eux qui ont décidé que ce système d'information devait voir le jour et qu'il devait se faire en mutualisant les moyens des institutions. La mise en place du projet est confiée à Catalyst et à Grand Thornton, deux cabinets dont l'expertise n'est plus à démontrer. C'est la population en général qui va en bénéficier, bien sûr, puisqu'ils devraient avoir accès beaucoup plus facilement à leur situation, à la caisse et à l'IPRES en termes de cotisation, en termes de, bénéfices pour la retraite, en termes d'allocation familiale. Donc toutes ces informations devraient être beaucoup plus facilement accessibles tout le monde. Après la cérémonie de lancement du projet qui le PCA de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal et son homologue de la CSS sont allés présenter le document à la tutelle. Il faut réformer les systèmes de retraite, il faut réformer les différents systèmes de prestations pour que les travailleurs puissent bénéficier de prestations de très haute qualité. mais cela, pour le faire, il faut un travail d'assainissement, il faut un travail de contrôle, il faut vérifier tous les endroits. je pense que c'est une grande initiative qui doit être accompagnée par toutes les parties prenantes. Ce projet de modernisation des systèmes d'information de l'IPRES de la Caisse de sécurité sociale va révolutionner le quotidien des travailleurs et des usagers de ces deux entités. Le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes a effectué hier une visite à Touba. L'objectif est de contrôler le dispositif mis en place par les différents opérateurs téléphoniques pour une bonne couverture technique du Grand Magal de Touba. La RTP en a profité pour remettre au comité d'organisation du Magal des dizaines de téléphones portables, nous dit Damsila. À Touba, les opérateurs téléphoniques s'attellent déjà à la tâche. Le dispositif technique et matériel est déployé sur le terrain et les installations ont démarré. L'objectif est de bien satisfaire la clientèle pendant le grand magal. Sur le plan euh, technique, on a rajouté de la capacité sur les, sur sites de Touba. On a rajouté quatre nouveaux sites donc, de couverture à Touba. Euh, on a aussi mis un moyen mobile euh, au niveau de la, de la mosquée. Et sur la 4G, on a sept sites. On a mis en disposition 111 euh, sites communément appelés euh, BTS. Bon, par rapport à ces sites, euh, on a eu un nombre de 94 sites qui font 3G. Sur le terrain, on a déployé le maximum quand même d'équipes pour pouvoir prendre en charge les plaintes, les problèmes techniques immédiatement. Nous avons triplé la couverture au niveau de Touba et Mbaké. La capacité a aussi été quadruplée pour assurer plus de 500 000 clients express au Sénégal seront bien couverts au niveau de Touba. L'Agence de régulation des télécommunications et des postes, pour s'enquérir de la situation, a effectué une visite à Touba. La délégation s'est rendue dans les différents sièges des opérateurs téléphoniques. Globalement, les recommandations de la RTP sont respectées. Aujourd'hui, nous sommes en train de vérifier le déploiement et bien entendu ce que nous avons constaté sur le terrain. Ils sont en train de se déployer euh, partout dans la ville sainte de Touba euh, afin que euh, le, jour J, avant, après et pendant le Magal, que les pèlerins ne puissent pas connaître des problèmes de qualité de service, notamment pour la voie et pour l'Internet. Le directeur général de la RTP et sa délégation ont rencontré lors de la visite le porte-parole du calife général des Mourites, Serine Bassirou Abdul Khadr Mbake. Ils se sont entretenus sur l'objet de ce déplacement. Avant de terminer la rencontre, Abdou Karim Sall a remis au comité d'organisation du Magal un important lot de téléphones portables. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture euh, avec l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique ont organisé une table ronde sur le programme mondial de recensement de l'agriculture en 2020. Euh, C'est troisième session d'une série de rencontres régionales destinées à présenter et à diffuser un ensemble de lignes directrices euh, pour but d'aider les gouvernements à améliorer leur recensement dans le secteur de l'agriculture, nous dit Ramil le programme de recensement mondial de la FAO offre un appui et de l'orientation aux pays dans la réalisation des recensements agricoles nationaux. Ici à Dakar, cette table ronde a pour objectif de présenter ce nouveau programme aux pays francophones d'Afrique. L'objet de cette rencontre était donc d'organiser des discussions avec les différents parties prenantes, les différents pays, pour dresser donc un ensemble de recommandations qui vont donc permettre aux différents pays d'utiliser en bon et science et de suivre les directives qui sont contenues dans ce programme. Plusieurs experts ont participé à cette rencontre qui dure depuis plus d'une semaine. Le programme mondial existe euh, depuis très longtemps, mais sous sa forme actuelle depuis 1950. Euh, euh, simplement pour donner des chiffres un peu évocateurs, au niveau mondial, le cycle précédent avait permis à, 132 pays au niveau mondial euh, de faire leur euh, recensement agricole et 22 pays en, Afrique, ce qui est déjà un, beau résultat. On espère que dans le cycle qui commence avec euh, cet atelier, il y aura davantage de, pays qui, pourront participer à ce cycle de recensement agricole. Ce recensement permettra aux pays de se baser sur des chiffres vérifiables pour bien orienter les politiques agricoles et cibler des investissements qui vont impacter leur PIB. 11 navires dont cette embarcation de pêche artisanale viennent d'être arraisonnés par la Commission sous-régionale des pêches. L'opération de surveillance s'est déroulée du 28 août au 1er septembre dans les eaux de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la République de Guinée. Euh, c'est donc pour contrecarrer la pêche illicite. Les membres de la Commission sous-régionale des pêches étaient face à la presse compte rendu Anaïs Nyanyamane. La Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Sénégal, membres de la commission sous-régionale des pêches, se sont unis pour contrecarrer la pêche illicite non déclarée. L'opération Pedro cardoso Nanco du 28 août au 1er septembre dernier a donné des résultats satisfaisants. Cette opération a duré quatre jours et des moyens navals ont été euh, engagés euh, des moyens des pays concernés. Cette activité nous a permis également de contrôlé à peu près 80 navires. Euh, parmi ces 80 navires, on a pu arraisonner 11 euh, navires. Parmi ces 12 navires, nous avons euh, deux chalutiers et sept embarcations de pêche artisanale. Alors, les deux chalutiers ont été arraisonnés dans la zone économique exclusive de la République de Guinée. Et les euh, quatre, embarcations de pêche artisanale ont été arraisonnées euh, dans la zone économique exclusive de la République de Guinée-Bissau et deux autres embarcations dans, euh, en Guinée, ce qui nous fait un total donc de douze 12 navires qui ont été arraisonnés. Cette opération de surveillance maritime entre dans le cadre du projet Gouvernance politique de gestion des ressources marines et de réduction de la pauvreté dans l'écorégion région Ouama. Le projet comprend sept pays d'Afrique de l'Ouest cette activité inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme euh, qui intervient principalement dans les pays de la région euh, Ouama, euh, notamment la, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert. Donc l'objectif principal de ce programme, euh, c'est d'accompagner euh, le développement de politiques qui puissent permettre la gestion durable des ressources marines et L'opération Pedro Cardozo Nanco a couvert la totalité de la zone maritime allant de la frontière nord de la Gambie à la frontière sud de la Guinée. Il est financé par l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est un franc, un grand succès. Euh, pour les raisons qui étaient évoquées, je ne vais pas reprendre les chiffres. Il y a un certain nombre de, bateaux qui ont été euh, surveillés, contrôlés, arraisonnés. Euh, bon, quantitativement, les résultats ne sont peut-être pas aussi étonnants qu'on aurait pu le, penser, mais en tout cas, ça, montre qu'une action comme ça permet d'avoir un, résultat assez efficace sur, les opérations illicites qui sont menées dans la région. Pour euh, le donc programme GoWarmer et le PNUD de manière générale, euh, on souhaite donc poursuivre cette coopération. Le programme lui-même, GoWarmer, prend fin en fin, 2017. Donc il est très probable qu'on continue à appuyer l'action de la CSRP dans ces domaines de lutte contre la pêche illicite euh, et que même au-delà de 2017, le PNUD appuie la CSRP pour les actions qui seront menées au-delà de 2017. Une bonne application de la législation sur la pêche maritime devrait permettre d'empêcher les navires qui profitent des faiblesses du dispositif sous-régional de surveillance de piller nos ressources. Et nous ouvrons notre série santé, le non suivi des grossesses, la malnutrition des enfants, la mortalité maternelle, le non-respect du calendrier vaccinal. Euh, ce sont les principaux problèmes de la santé et de la reproduction. La politique de celle-ci a connu des avancées significatives avec des résultats satisfaisants. Euh, cependant, des réticences sont toujours d'actualité, mais le combat euh, continue à travers des programmes, surtout dans la campagne pour la planification familiale. C'est un dossier signé Jeanne -Dieu. La grossesse, la naissance, la prise en charge du nouveau-né, des étapes cruciales, un long processus, un suivi obligatoire et indispensable, d'abord pour la mère elle-même et pour son enfant. Euh, ce que nous notons, c'est qu'en général, presque la totalité des femmes vont faire au moins une visite. La difficulté, c'est que c'est d'aller faire les quatre visites dans les délais requis. Et généralement, c'est au cours des derniers moments qu'on rencontre des difficultés soit que la femme est malade, ou bien que la grossesse elle-même n'évolue pas comme il se devait, l'enfant qui doit être vacciné et qu'il soit suivi en cas de maladie, qu'il soit pris en charge. Et en plus de cela, il faut lutter contre la malnutrition. Donc ce qu'on préfère, c'est l'allaitement. Et ce qu'on souhaite, ce qu'on recommande, c'est l'allaitement exclusif durant les premiers mois, jusqu'à 4-6 mois. Malgré certains comportements qui sont souvent à l'origine des problèmes comme le non-suivi des grossesses ou la malnutrition, le plaidoyer donne des résultats satisfaisants. Entre 2010 par exemple et 2016, nous avons quitté 392, 000, 392 décès pour 100 000 naissances vivantes à 315 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ceci est important. Nous avons aussi fait des progrès dans l'autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la planification familiale. entre 2010 et maintenant, nous avons presque fait plus que du double en quittant 10% de taux de prévalence contraceptive à 21% euh, de taux de prévalence contraceptive pour les femmes en union. Ces chiffres peuvent être renforcés à travers l'élimination de la mortalité maternelle. Pour ce faire, une bonne politique de la santé et de la reproduction s'impose. Augmenter le taux de prévalence de la planification familiale, par exemple. Nous avons un fort soutien de ces religieux-là qui nous accompagnent avec un argumentaire religieux pour démontrer que dans les écrits saints, il est recommandé quand même d'espacer les naissances. Et qu'à chaque fois qu'il faut recourir à la santé de la mère pour sauver des vies, que ce soit les mères ou les enfants, je crois que c'est quelque chose d'acceptable. Le combat continue d'être mené en dépit des pesanteurs socioculturelles. Le plan Moïtou Nef en est une illustration. Il faut cependant noter que l'utilisation des méthodes contraceptives n'est pas une obligation, mais un choix. Cette réalité est même traduite dans les structures sanitaires. À l'ASBEF, la priorité est accordée au Conseil. Le conseil que nous donnons aux femmes enceintes par rapport à ce qu'il amène et également par rapport à ses besoins. Euh, les besoins en planification familiale qui peuvent euh, exister, euh, vraiment, et également les besoins en information. Parce qu'on pense euh, surtout que les femmes mariées euh, savent beaucoup de choses, alors qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, des zones d'ombre qui, demandent à être euh, éclaircies. Et tout ça, c'est avec le counseling, l'interaction qu'on trouve vraiment quels sont les, les, besoins exprimés et les besoins qui n'étaient pas exprimés. La mère et l'enfant, les deux cibles essentielles de la santé de la reproduction, une bonne santé de la mère et de son enfant euh, permet à la femme d'être productive et donc autonome. Santé de la reproduction toujours à Matam. Euh, beaucoup de femmes ne respectent pas donc euh, le planning des visites prénatales. Certaines d'entre elles n'hésitent même pas à accoucher à domicile avec tous les risques que cela comporte. Dans certains cas, c'est l'éloignement des points de prestation sanitaires qui est la principale cause. Pour d'autres, cela s'explique tout simplement par une certaine tradition. C'est un reportage signé Oumou Sal. Une semaine après son accouchement, Sirassou revient au centre de santé de Canel avec son bébé pour une consultation postnatale. Dans cette même structure sanitaire, elle a été suivie tout au long des neuf mois de grossesse. Dès le début de ma grossesse, je suis venue voir la sage-femme. J'ai respecté tous les rendez-vous qu'elle nous donnait. Je n'ai eu aucune complication. Je suis bien consciente de l'importance des consultations prénatales. Une attitude naturelle est normale, mais à Matam, beaucoup de femmes ne se font pas suivre pendant la grossesse on ne sait pas, mais vraiment, on fait, on fait beaucoup de causeries sur ça, mais jusqu'à présent, ça reste. Il y en a vraiment qui, qui, viennent, vraiment, mais c'est trop, trop, trop difficile. ici, on couvre, le, district est grand, il y a beaucoup de villages qui sont là, mais parfois, vraiment, c'est les longues distances qui les empêchent de venir parce que c'est enclavé, les, les, les, routes, les routes ne sont pas bonnes. Parfois, c'est ça. Parfois, il y en a qui habitent ici à Canel, mais qui ne viennent pas les, même pas. Les consultations prénatales sont d'une importance capitale. Le suivi de l'évolution de la grossesse permet au personnel soignant de prévenir toute complication. C'est le moment de détecter tout anomalie voir si la femme ne présente pas une hypertension, si elle n'est pas anémiée, ou bien si vraiment revoir le bassin, si elle peut accoucher normalement et tout ça. Donc, si elles ne font pas leur consultation comme se doit, ça peut poser problème au moment de l'accouchement. À Matam, le taux de la mortalité maternelle et infantile reste préoccupant, avec 721 décès pour 100 000 naissances. Parmi les causes, le non-suivi de la grossesse, le ministère de la Santé, pour changer la donne, a mis à la disposition de la région médicale une vingtaine de sages-femmes itinérantes. L'objectif des sages-femmes itinérantes, c'est de faire des stratégies avancées pour aller vers les cas de santé qui n'avaient pas accès aux postes. Nous, on se déplace pour venir les voir. Avant, on se levait très tôt le matin pour nous rendre à Urosogi, avec beaucoup de difficultés. Maintenant, c'est facile. On n'a plus à se déplacer vers d'autres structures sanitaires chaque mois pour des consultations. Vraiment, on se réjouit de cette initiative. Avant, même pour faire vacciner nos bébés, on se rendait à Orosogi. Au-delà de la disparité dans la répartition géographique des structures sanitaires et du déficit de personnel soignant, à Matam, la santé de la reproduction fait face à une autre réalité culturelle. Des fois, c'est des, coutumes. Hein. Il y a des femmes qui ne veulent pas accoucher à l'hôpital. Peut-être c'est leur croyance. C'est un grand problème à Ranero. Les accouchements à domicile persistent toujours. On a beau sensibiliser, faire la communication interpersonnelle lors des peines, mais ça reste toujours un problème parce qu'ils ont leur croyances et c'est difficile vraiment. Les autorités de la région médicale continuent la sensibilisation à travers les Gor et les émissions radiophoniques. Elles ne comptent pas laisser ces habitudes à la peau dure plomber tous les efforts du gouvernement pour une bonne santé de la mère et de l'enfant. Euh, ce soir, la rubrique euh, métier s'arrête euh, chez les laveurs de voitures, un secteur beaucoup investi par des jeunes. Cependant, la plupart exercent dans l'informel, même si l'activité nourrit bien son homme. C'est un reportage de l'USBITSA. Du haut de ses 1m80, Tidiane Diallo a quitté son foot natal pour la capitale et c'est à la réussite de la gueule qu'il officie en qualité de laveur de voitures. Ma spécialité, c'est lavage de voiture à la On l'appelle par ici le laveur des VIP. En lui et place des récipients remplis d'eau et de savon, Tidiane possède une machine. Avec cet engin, il a moins d'efforts à fournir tout le temps mon oh, c'est un métier qui se passe à merveille donc des fois on a des boîtes euh, des clients tantôt on n'a pas de clients mais les prix varient en fonction du besoin des clients si le client veut un nettoyage général donc les prix ça va jusqu'à 10 000 francs si c'est un nettoyage simple c'est 1000 francs. Cet espace qu'il occupe n'est pas gracieusement cédé. Donc c'est grâce à la merveille que j'ai pris cette place. Donc euh, euh, à la fin du mois, je paye, à, je paye 10 000 francs à la fin du mois. Donc, les laveurs de voitures ne manquent pas dans la capitale. Partout, ils sont légion, avec comme c'est l'objectif, faire briller la carrosserie. Alitop a commencé à exercer à Durbel avant de prendre la route de Dakar. Du matin au soir, moi, je suis ici pour gagner ma vie. Du matin au soir, je suis là pour travailler ici, du matin au soir pour travailler. Parce que ici, c'est mon plat. Bon, on a vous c'est tout un art. Ah, il faut commencer par le toit de la voiture, vérifier tous les coins et recoins avant de terminer par les roues. C'est un vrai travail. Je commence à 8h jusqu'à 19h. Ah, ah, Chaque jour, je bénéficié de 2000 ou 3000 ou 1500, etc. etc. La grande voiture, ça coûte 1000 francs ou ça, sans départ. Les petites voitures Les petites voitures, 500 ou 700 ou 600, etc. etc. La tâche nécessite des entraînements physiques. Oui, d'entraînement. Force naturelle, quoi. Pour laver la voiture, pour avoir la force. Oui. tu fais des sports. Chaque jour, sauf samedi et dimanche. Des menaces d'expulsion les empêchent de travailler en toute quiétude. On a dit qu'il n'y a pas de chaud métier, c'est ça qu'on doit travailler ici. Parce que du matin au soir, nous on est là pour travailler, pour gagner notre vie. Mais chaque jour, on a des problèmes ici. On dit que vous là, vous êtes dégagé ici. Mais si on dégage maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant C'est ça le problème. Mais, mais ça, c'est qui est mon question. Si on dégage ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Parce que nous sommes, euh, nous sommes des pères de famille, on a des femmes. Moi, j'ai déjà marié. J'ai déjà une petite gosse qui est laissée au village. Je ne vais ici pour travailler maintenant. si on m'a dégagé maintenant, moi, qu'est-ce que je devais faire maintenant C'est ça qui est mon problème. Chaque jour, la police vient ici, on nous attrape, on nous amène de la police, on, va laisser jusqu'à 19h. On dit que maintenant, vous là, vous, êtes mis ici dans des, saletés là. Mais ça, c'est ça qui nous fait mal, parce que nous sommes des jeunes. On doit travailler, on doit nous laisser nous travailler. Leur le plus ardent est de ne pas s'éterniser dans ce métier. C'est juste un tremplin pour nous. Euh, la preuve, tous les chauffeurs de taxi ont pratiquement exercé ce métier avant d'avoir le permis. Il s'agit donc pour nous de nous occuper et d'épargner pour obtenir le précieux papier. Maintenant, il y en a qui se cachent pour ne pas <laughs> rencontrer le petit C'est marrant. Laveur de voitures, un job comme tant d'autres qui fait vivre de nombreuses familles. Si dans les régions, le métier peine à se développer, dans la capitale, les laveurs font le bonheur des automobilistes. Voilà pour la rubrique métier qui revient vendredi euh, prochain. 12e anniversaire du décès de Yasser Arafat ce 11 novembre 2016. L'ambassade de la Palestine à Dakar a commémoré l'événement à la place du souvenir, une cérémonie sobre devant la presse et des sympathisants de l'ancien président de l'autorité palestinienne. C'est un compte rendu de Daoua. Même sous terre depuis 12 ans, Yasser Arafat continue d'incarner l'icône de la lutte pour la cause palestinienne, comme l'illustrent ses œuvres. Yasser Arafat, physiquement, il est parti le 11 novembre 2004, euh, mais il est, toujours, il est toujours dans le cœur des Palestiniens vivants, témoin de cette tenacité, témoin de cette fidélité à son mémoire et, à ses consignes pour poursuivre le combat jusqu'à la liberté et l'indépendance. Son historique et long combat pour la libération de la Palestine a toujours eu un écho favorable en Afrique, particulièrement au Sénégal, le Sénégal qui continue d'exprimer sa solidarité à son peuple. Le collectif de solidarité Sénégal-Palestine, évidemment, entend apporter son soutien à ce combat-là jusqu'à la satisfaction du droit inaliénable du peuple palestinien à l'indépendance. Et c'est un combat aussi pour la paix. On ne peut pas bâtir un monde de paix sur des bases d'injustice. Nous avons tous compris que, comme le disait d'ailleurs Nelson Mandela, tant que le peuple palestinien ne sera pas libre, nous ne serons pas libres, nous, Africains. Novembre, mois de la Palestine au Sénégal, ainsi en ont décidé les autorités palestiniennes pour qui Yasser Arafat a aussi une stature universelle. Yasser Arafat il a aussi ouvert un front universel en étroit lien avec les combats de tous les peuples opprimés et en particulier en Afrique. Il a euh, initié également le combat contre toutes sortes de tutelles, contre l'indépendance de la décision palestinienne. L'amitié pour les deux pays est telle que la Palestine a aménagé une place l'épouse d'Arsenor à Ramallah une place, Yasser Arafat est aussi envisagée à Dakar avec les autorités de la ville. Total Excellium, c'est le nom du nouveau produit, du nouveau carburant donc vendu dans les stations Total. Il a la possibilité d'entretenir le moteur et est vendu au même prix. Un produit nouveau, plus performant et efficace selon Total Sénégal, nous dit Hamid Diop. Un produit nouveau, Total Excellium, arrive au Sénégal. Ce carburant, selon Total Sénégal, nettoie votre moteur et présente tous les atouts nécessaires pour allonger la durée de vie d'une voiture. Total Excellium, c'est un carburant qui est additivé à la sortie du dépôt. Donc la propriété en fait du carburant Total Excellium, c'est qu'il va nettoyer votre moteur kilomètre après kilomètre. Et en nettoyant le moteur kilomètre après kilomètre, il va euh, non seulement, je dirais, euh, vous permettre d'avoir un moteur propre, mais également réduire votre consommation et in fine également réduire les émissions. À travers ce spectacle son et lumière, les témoignages sont unanimes sur l'écran. Total Excellium, c'est moins de consommation, donc moins de pollution. Je retiens que ça réduit les dépenses et donc particulièrement les dépenses des entreprises. Je retiens aussi ça réduit les dépenses des consommateurs, donc de nos employés, tout au moins si je parle en perspective de président du Conseil national du patronat. Et vous aviez dit aussi qu'en réalité, le produit ne coûte pas un franc de plus. Mais vous n'osez pas le dire, il coûte moins. S'il réduit la consommation, il réduit la maintenance, en réalité, pour le même prix, on a plus d'utilité. Total Excellium, comme vous le savez maintenant, c'est le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre. Aujourd'hui, le produit est distribué dans toutes nos stations-service au Sénégal et euh, un certain nombre de clients ont déjà eu l'opportunité de tester le produit, des taximans, des transporteurs. Ils ont vraiment adhéré, donc ils ont pu euh, apprécier la qualité du produit et les économies que ça, a pu leur apporter, tant d'un point de vue des entretiens que euh, de la réduction de la consommation de carburant à partir du 11 novembre. Total XLM est disponible dans toutes les stations service Total. Il est vendu au même prix, même si Total Sénégal le dit, il est de meilleure qualité. Culture, la deuxième édition du Festival international du film de famille, a démarré hier à la Maison de la Culture Doutasek au programme des projections de films liés au mariage, à la famille, au genre, entre autres un grand forum sur le thème famille et développement figure également parmi les activités, nous dit Damsila. Initié par Baobab Productions en collaboration avec le MCDS, le deuxième festival international du film de famille est composé de programmes alléchants, rythmés par des projections de films liés à la famille, au mariage, entre autres. Notre objectif aussi, c'est quoi Et c'est là où je vais terminer. C'est qu'en mettant au cœur de notre préoccupation et le cinéma et la famille, nous voulons que la famille se réconcilie à elle-même, puisqu'il y a des mutations qui sont opérées. Le Festival international du film de famille veut se servir du cinéma comme révélateur des changements sociaux. Il a aussi pour objectif de prévenir les effets négatifs qui déstabilisent la famille et aussi permettre des rapprochements intergénérationnels. La deuxième édition du festival sera vraiment un cadre d'abord d'information, de communication et surtout d'éducation pour nos familles respectives et pour euh, l'inculcation des valeurs au sein de nos familles. Le Festival international du film de famille, c'est aussi des débats et des rencontres. Un grand forum sur le thème famille et développement fait également partie des activités. La famille, faut-il le rappeler, est la cellule de base de toute société. Elle est le terreau où la vie se forme, se développe et s'épanouit. Elle est un lieu de croissance humaine morale, intellectuelle et spirituelle. Un lieu où se forge la personnalité de l'enfant à qui on inculque tout un, tout un, ensemble de valeurs de partage, de solidarité, de respect de l'autre. Différents acteurs du monde audiovisuel seront primés au terme du festival, une manière pour les organisateurs d'encourager les acteurs de la cinématographie. Sport football j avant le match Afrique du Sud de Sénégal. Les Lions en décousent avec les Bafana Bafana dans un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les hommes d'Aliou Sissé ont procédé à leur dernière séance d'entraînement il y a quelques instants. Les temps forts avec Sidina Alundjiko. La préparation des Lions a déjà atteint sa vitesse de croisière. Dernière séance d'entraînement d'une équipe considérée comme favorite dans sa confrontation avec l'Afrique du Sud, mais à lui c'est, tempère. C'est vrai que le Sénégal aujourd'hui a un grand potentiel, mais comme vous le savez, le potentiel est un petit peu partout en, Afrique. En Afrique du Sud aussi, il y a un gros potentiel individuel. C'est vrai qu'en sélection nationale, c'est beaucoup plus beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas la chance d'avoir toujours les les joueurs en même temps. Contrairement peut-être en Afrique du Sud où où la majorité des joueurs évoluent ici en Afrique du Sud. Nous, nos joueurs évoluent un petit peu partout et chaque fois que je les retrouve, c'est pour 2, 3, 4 jours. Et cette balance que vous êtes en train de dire, cet équilibre que vous êtes en train de dire, ce sont des répétitions à l'entraînement. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des sorties de l'équipe nationale du Sénégal, on sent vraiment du mieux sur collectif. Un Aliou décidément mesuré dans sa conférence d'avant-match. Le sélectionneur du Sénégal s'attend à une belle opposition des Bafana Bafana. C'est un énorme match contre euh, une grande nation de football qui est, l'Afrique du Sud, qui euh, un passé vraiment glorieux, nous aussi, je pense que nous sommes euh, une très belle équipe, une grande nation de football. Donc nous allons vers, euh, vers une, euh, une confrontation en tout cas très, très disputée et, nous espérons en tout cas faire le meilleur résultat possible. Les deux équipes se font face samedi à 13h dans ce stade Peter Mokoba de Polokwane. Une rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018, zone Afrique. Les temps forts de ce match à suivre avec le Desk Sport demain sur notre antenne. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RT100.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 offerte par Bank of Africa. C'est l'heure du goûter Trop bien Et pour un bon goûter, il faut du lait et du chocolat Candy Up Chocolat, c'est tout ça Du bon lait et du chocolat pour un goûter gourmand Qui donne la Découvrez Candy Up Chocolat, des protéines et du calcium pour un super goûter facile à transporter. Et hop, c'est dans le sac Candy Up, c'est aussi bon à la fraise et à la vanille. Candy Up est un produit du groupe Keren. Et en ce moment, profitez de l'offre découverte à 200 francs seulement. ne lee mooy gat yi neexal sa kër baaral marine Dorel, la queue. safal Sapali. Marinelle. Dorel wala yokkal cafka gavo Adia, 100% naturel 100% épice di en di adia c'est une safal bigon. alhamdulilah ma sant waajal màggal ak gàmmu gi poste taxaw ngir teggi leen bépp coono ak poste cash mën ngeen yónnee xaalis.